le travail. Donc, euh, on rappelle encore que c'est une cérémonie de présentation et de dédicace du livre euh, du docteur Mamadou Koumé, Sénégal, la saga de l'équipe nationale de football. Je l'ai présenté brièvement, succinctement tout à l'heure. C'est un livre qu'il faut absolument avoir parce que c'est une sorte de bibliothèque. Alors, euh, et puis, ce n'est pas aussi fortuit s'il vient aujourd'hui à Wakam, son fief, pour présenter ce livre, parce qu'il a cité la contribution importante de Wakam, de l'US Wakam, à l'équipe nationale de football depuis euh, d'Imbas. Hein, dès le premier match de l'équipe nationale jusqu'à un passé récent, je ne citerai pas les Malikou, les Nias, les Guiran, les Sen, etc., qui ont aussi contribué largement aux réalisations de, des équipes nationales de football. Donc, on va en profiter pour faire un clin d'œil au Djaraf Omar Samb, qui est un peu alité. On lui souhaite prompt rétablissement. Donc sans plus tarder, après la pause, l'intermède petit déjeuner, nous allons tout à l'heure écouter le président de WACAM qui va souhaiter le mot de bienvenue à l'assistance avant les, deux, les autres interventions sur lesquelles je vais revenir, mais juste souhaiter bon vent à Alfred parce que c'est lui qui vient d'être porté récemment à la tête de l'Union sportive de Wakam. Donc c'est le président Aziz qui lui passe le relais. Et comme je le disais tout à l'heure, Wakam c'est une grande équipe, Wakam c'est un grand club en football, en basket. On a du plaisir à aller voir au stade. Je taquinais mon ami Sambagay, président de la Ligue de basket, en lui disant on a envie de revoir la grande équipe de Wakam en finale de basket, parce que quand ils arrivent aux couleurs rouge et blanc, donc c'est de l'animation, de l'ambiance, du début à la fin au stade Marius Ndiaye. Donc, euh, président Sambagé, président de la Ligue de Dakar aussi, j'espère qu'il va venir encore. Déjà, il y a une bonne équipe de basket qui travaille. La section, c'est parce que j'aime beaucoup le basket aussi, il y a une bonne section qui est là, mais il va venir renforcer pour qu'on puisse voir encore cette belle équipe de Wakam. Euh, donc, Alfred, bon vent et aussi souhaiter bon vent à Aziz. Bon, c'est une petite digression, hein, parce que vous savez que voilà, aujourd'hui, il est candidat à quelque chose, donc euh, je ne vais pas trop entrer dans les détails, mais nous, les sportifs, nous avons beaucoup de plaisir à voir des sportifs postuler pour diriger euh, des mairies ou d'autres donc, euh, structures, parce qu'on sait qu'un sportif, quand il arrive au firmament, il fait beaucoup pour le sport. Donc, on vous souhaite bon vent. voilà, c'est avec beaucoup de plaisir également que nous retrouvons tous ces anciens Blaise et tous les anciens sportifs, les anciens footballeurs qui sont là. Alors, je rappelle que le président de l'ISO va donc donner et euh, prendre la parole pour le mot de bienvenue. Il y aura le représentant de l'association Mamadou Koumé qui va prendre la parole. l'association de Mamadou Koumé, voilà, l'association de Mamadou Koumé. C'est vrai que c'est différent. L'association Mamadou Koumé et l'association de Mamadou Koumé. Je rappelle qu'il a été mon professeur au CESTI. Quand j'arrivais au CESTI, c'était... Nos chemins se sont beaucoup croisés. Quand j'arrivais au CESTI, c'était le directeur des études. Il nous avait en presse écrite le conseil qu'il nous donnait, c'est quand vous allez faire un stage, n'allez pas faire la télé ou la radio. Faites la presse écrite pour avoir la main. C'est le conseil qu'il nous donnait. Après ça aussi, on s'est croisé à la, dans des compétitions africaines, en Coupe du Monde notamment. C'était le président de l'ANPS quand on allait faire la Coupe du Monde en Corée, au Japon. Et il y a beaucoup d'anecdotes sur lesquelles je ne reviendrai pas parce que voilà. Il y a l'histoire d'une Jordi et d'une burake. Euh, je ne peux pas y revenir parce que c'est moi qui avais transporté beaucoup de tonnes de, de et un autre alpoulard, beaucoup de tonnes de njordi. Au début, tout le monde nous sabotait. Mais à la fin, quand on est arrivé, parce qu'en Corée notamment, euh, la bouffe, c'est pas tout à fait ça. Les petits déjeuners le matin, tout le monde venait se ravitailler. Même les serrères, Jérôme Diouf, qui est le Toubab serrère, il venait. Euh, est-ce qu'il y a le njordi Donc voilà comment il prononçait njordi, voilà. Donc ça, ce sont de petites anecdotes sans oublier la, valise. La valise, ça, c'est moi. J'ai eu un excédent avant même d'aller à la Cannes, un excellent de bagages. Quand je raconte ces anecdotes, <laughs> Mamadou Koumé ne peut pas se retenir. Donc, euh, comme quoi nos chemins se sont beaucoup croisés et c'est avec beaucoup de plaisir que nous le retrouvons avec euh, ce livre, encore une fois, pour, pour nous, pour la postérité. Il y aura le mot du colonel Ngom également. Avant ça, le représentant de M. Oumar Gueye Samb va prendre la parole. Euh, ensuite le mot du, colonel Ngom. Le frère de Mamadou Koumé également qui est présent va prendre la parole. Le mot de Ibrahim Ndiaye Chita, camarade de classe de Mamadou Koumé. Et puis Mamadou Koumé va prendre la parole pour présenter le livre. Après, s'il y a des gens qui ont envie de poser des questions, ce sera un échange riche. Et puis on va clôturer. Je pense qu'en 45 minutes, on peut tenir hein, normalement. Une demi-heure ou 45 minutes. Donc sans plus tarder, nous donnons la parole à M. Alfred Bachiri, président de l'USO. donc euh, euh, remercier si euh, présentation bi si déroulé bi di peut-être Adama que tonton donc est là pour la modération d'accord donc je pense que c'est un peu. Voilà, voilà, merci. Donc, euh, euh assalamu alaikum. Donc, nous sommes nous, Dylan Sant, si c'est une présence euh, fille. Euh, bés bi li waral présentation livre bi nga xamante ne nos frère suñu tonton suñu doom Mamadou Koumé moo ko bind ko la saga de l'équipe nationale de football bi nga xamante ne daf ciy wax euh, internationaux yi nga xamante ne ñoo doon alimenter équipe nationale bu Sénégal te nag mu Wakam parti bi gën a rëy waaw livre bi maanaam bu ñu ci waxee bu doon dañ ci doon wax ay waxu ay ay waxu gox gox gën Wakam nit yi bëri Wakam la ñu dëkk loolu il wax na ko nee Wakam est son royaume d'enfance loolu rek doy pour mu ñëw fii présenter ñu livre am waaw présenter ñu livre bi nag ñun demoon nañ ci séance euh, officielle bi mu doon def Grand Théâtre euh, parce que daf ñu sagal Euh, tey mu dellu si waat fii ne dafay sagal waa Wakam dafay sagal Omar Gueye Samb ak ñu mu àndal ñëpp ak bépp international bu Wakam

Union sportive de Wakam Union sportive de Wakam c'est un club C'est un un club qui est un sport. la sport dirigé. lay diriger Le football bi moo si mais le basket mi ci athlétisme natation tennis bientôt même pétanque ak sport mais euh, je suis très très, ému et très content pour deux raisons. La première raison, moi, c'est mon premier première sortie en tant que président C'est mon premier sortie en tant que président j'ai au moins quatre à cinq présidents de clubs qui sont là anciens présidents c'est mon premier sortie j'ai au moins ça su comme coupe wala ça, bu un trophée

mais il a ngi fi encore moo tax symboliquement cette présence tey marqué ma trop te rassemblement bi may wax incha allah dinaa si ñëwaat pour bañ a guddal bu ñu tëj yaakaar naa ne lii koy symboliser parce que je ne vais pas arrêter l'occasion tey en tout cas de faire de vous nos missionnaires pour ce mandat pas pour ce mandat uniquement pour la pérennité du club parce que je n'aurais pas l'occasion l'occasion dinaa am occasion crème bi taxaw sama mais je sais que nous devons faire le tout pour que nous soyons ambassadeurs, ambassadeur pour que Wakam nekk bien sur tous les plans pour que Wakam nekk bien sur le plan sportif pour que nous soyons équipe bi fi nga xamante ne la donc bugguma guddal parce que nous euh, terminé <coughs> def une une dernière intervention donc euh, maa ngi leen remercier di ñaan yalla euh li nga xamanteni mo ñu fi indi ñu commencé ko si bisimilahi rahmaani rahim terminé ko si alhamdulilahi rabbil alamin te di leen ñaanit euh di jàppale suñu frère Koumé fi ko mëna a mais premier jàppale bi ne commencé tay ku mëna jënd livre bi jënd ko ñun dinañ si def suñu wàll ñun Union Sportive de Ouakam yéen nit ñi ngi leen ñaan ngeen def seen wàll jërëjëf merci بسم الله الرحمن الرحيم إنا بنيو سنت يلا جلي سيان تبي صلى الله عليه وسلم نيجي نلوي أمبالو ميب سوا جلي لك اسمه ورانا وخواي دال دوغل نما ما دكو دوغل نما نينا كو خال بتاعي منا دال دمال صوبول وعندي دفكرك دي وحنا كنون بتاعي نيجي فيت نداو

ay loxo yoo xam ne ñu yar ñu yar boo xam ne e, dañu booloo woon nekk benn di daje ci lu rafet saa su ne ñuy xale yi bu ñu xewlee oo mag ñu ñëw mag ñi aussi bu ñu xew lee daal ñu oo ñun xale yi ñu ñëw bokk ak ñoom man nekk Ibou Seye laa tudd Ibrahima Seye El Hadj Ibrahima Seye ñu tuddee ma capitaine jóob El Hadj Ibrahima Diop. Eh, goro eh, Nicolas moom mooy suma turandoo am na ñu ma xam ne samay mag ñu nekk fii ñoom kole ami Collé di sama mag e Koumé nag ñu nekk ba ñu nekkee xale ba léegi mu dëkkoon fële ci Guy Marina xaw ma nag ndax ñi ko xam xamoon nañ loolu walla déet boo leen demee kër ginnaaw kër Pape Doudou Kane am na kër gu nekk foofu bu am benn foofu la dëkkoon ak nijaayam ñu yàgg ànd di jàng école nekk les serf ñu nekkoon baye foofu ñoom kër ñoom Medoune Pathé Guèye foofu moo doon suñu siège et ñuy ànd ànd bu rafet yalla di def ba mom amna ci passage am biñu jangé ba tollu 3 troisième mom mi amna ben passage bu mu def bo xamné peut-être ni ko xam-xam nañ ko ku ku xam ku nga xamné ne jaar na poste jaar na poste waaye ambition poussé ko euh, bi mu jógee ci ay mission à l'intérieur du Sénégal parce que dem na l'intérieur du Sénégal bu ñëwaat Dakar mu jëlaat bigam ak ay euh, kayam dem jàngiwaat ndax ambition mo doon li nga xam mom moom la nekk tey nii mu nekk ci am ci passos ndax ku ko xam-xam ne ko Euh, bu njëkkoon ay euh, journaux yi ñu daan faral di euh, lii fii ci ay France Football ak yooyu ku daan ressourcé wu foog naa këram ngay dem pour ressourcé wu ci loolu mu am ay mag yoo xam ne aussi ñu ngi fii ci salle bi ñoo xam ne am na am na lu mu doon joxanteeg ñoom ci loolu dinaa ci cité ku mel ni Papa Gueye Numan waaw amoon na ak moom boobu relation ci ci ci échange yooyu mu nekk nit koo xam ne nag nit ku oyof

initiative yi nag pour mu ñëw fi ah ñu ciy suñu ndax groupe non lay doxé amna na ci ñoo xam ne ñoo amoon xalaat boobu ku ah, Koumé def na présentation def na dédicace am euh ah, pour tout le Sénégal rafetoon na pour que quand même mu ñëw wakam pour man fi def bo présentation ñu ciy sant nag waa USO bu baax

di leen euh, wax encore une fois merci pour cette présence euh, merci li ngeen sagal euh, Mamadou Coumé ci euh li mu ñëw fi di doomu Wakaam ñëw waa Wakaam uy pour me présenter son livre bi nga xamné vraiment euh ku nek war na ci man a gis boppam ci biir livre bi lé ñukoy ñaanal yalla nak ah, xamna né li commencement la rek ci moom ndax am na ambition certainement ci li mu nekk mu daal di am yeneen yoo xam ne dina ko baaxe waa waa Sénégal ñu koy ñaanal yàlla fan wu ak wér di ko ñaanal e, e, nu mu tuddati e, livre am bii lépp lu mu ci bëgg yàlla ko yàlla defal yàlla yal na ko yàlla ful eh, ba mu wesaaroo fépp ci àddina bi ndax li ci nekk moom am na solo lool waaw li ci nekk am na solo lool ñuy gërëm encore di sant ñëpp. maa ngi ñuy nag kii waral bés bi muy mam eh, docteur Mamadou Koumé di ko ñaanal yal na ko yàlla sàmm yal na ko yàlla defal li mu bëgg maa ngi wax nag si turu jaraaf Oumar Gueye Samb mi nga xamee ne. et Mamadou Koumé def ko cité ci livre bi moom ma yónni woon bi ma ñëwee taxaw fii bu ma gisoon Mamadou Gueye suuri man du ma jël kàddu parce que mat na lépp waaye nag dama ko gisul moo tax ma jël maa ngi nuyu sportif yi ma fekk fii ku mel ni Saliou Cissé ba nga xamee ne ba mu xamee ko ba tey mësul bàyyi jaraaf li mu tëdd feebar yëpp du toog semaine bu nga xamee ni ñëwul seeti ko ñu ngi njaboot gi nee na ñu ngi lay gërëm di la sant ñu ngi nuyu ki ma fekk muy xaritu Umar gi sam muy Demba Coy Demba xaritu Umar la dafa yàgg ak Umar en nationale di nuyu sportif yi ñu nekk sama gannaaw ku mel ni akes bi Mamadou Ndoye Pape Ñaax ak ñooñu ñëpp ñu ngi toog yàlla na leen yàlla fay li may wax nag mooy benn anecdote laa leen bëgg a jox pour xale yi suivre ko

bépp si naw rek xool montre bi à deux heures du matin mu ñëw fëgg Umar naka kooku na la mu nekk man la hospital euh, gars yi ndax gaa yi ñëw nañ pour ñu dem entraînement Umar naka mais deux moo jot di sànni waaye ñu ubbil ko mu tëdd kon Pastef la xale yooyu boobu yàlla na nekk ci yéen Mamadou Coumé Umar Gueye Samb nee na mu ngi lay gërëm di la sant. nena na mosuloo ko fatlu. y'a 15 ans à 20 ans bañu choisir les 100 meilleurs joueurs du Sénégal gisuloo ci turam ken gisu le turam ya y a taxaw ne nan lañu tànn 100 joueurs ben joueur wakam nekku ci surtout Oumar fait du ko ci parce que livre bi passage laa ci jàng ah li nga wax ci Umar day neex na xolam foo mu tëdd dama dañ ko liiral passage bi doom bu jigéen daf ko liiral passage bi ak Alioune pay mii nekk sama gannaaw di doomam Umar dafa jooy ne ah xale bi day fàttew ma ku jaraaf nee na sa livre bi yàlla bu mu nekk sa mujjante livre yalla nga def livre yu bare bare bare yalla nga def livre yu bari nee mu ngi lay gërem di la sante fa mu tëdd mu ngi lay ñaanal nee na lenn rek moko metti limu mënul taxaw taw taxaw fi wax ci turum gërem la sant la ci kan mu mbolo mi wax ji naka senegal yeb deg naka wakam yeb deg nee mu ngi ñaanal wakam nañu nek ben yobbu équipe ba sa kanam rek lañu yalla nako yalla def ma ngi len di gërëm yeen ñepp di leen sant suy dédicacé livre am war fi mëna tew suma invité deuxième raison bi Babacar Ngom mo moo defoon invité d'honneur am mais comme nekul Dakar mu ne naa ñëw représenté ko donc loolu mooy sama taxawaay fii ah def naa nag benn discours bu ndaw monsieur Sow nag saboté sama discours yow laay avertir naa la léegi <laughs> mesdames messieurs je voudrais juste dire un petit mot pour remercier le colonel Babacar Ngom, mon frère et ami, qui m'a alerté et associé à cette cérémonie de dédicace organisée ici dans le cœur du village en l'honneur de notre condisciple au CIG de Wakam, où nous avons obtenu le BEPC. Je veux nommer le docteur Mamadou Koumé, journaliste écrivain venu nous présenter son livre intitulé Saga de l'équipe nationale du football du Sénégal, un bel ouvrage je voudrais aussi remercier les amis du docteur Koumé qui l'ont mis à l'aise pour rendre à César ce qui appartient à César. En fait, Wakam a produit des prodiges qui ont animé dans le temps notre équipe nationale. Ils, sont, ils ont comme nom euh, Samb, Salut Chita, Chita Ndiaye, Medoun Mar, Mansour et le sixième international Wakamoua ici présent et qui nous vaut cette plaisante, cette plaisante cérémonie, autant pour moi. Le docteur Mamoudou Koumé, auteur de cette anthologie de notre football national. En effet, cet ouvrage a comme une onde de choc envahi le cœur de tous les amoureux du football et à travers les belles pages d'un document bien référencié, nous a fait voyager de bonheur bonheur auquel ont participé de vaillants fils du village, ici présents, qui ont façonné l'Union sportive d'Awaka, UESO. Grand centre d'incubation de jeunes ayant depuis les Navetans pratiqué ce bel art. Je ne terminerai pas sans, sans dire le sérieux et l'intelligence qui ont toujours accompagné le docteur Koumé dans sa discrétion légendaire. Nous sommes la première promotion du CEG de Wakam et avons eu la chance de nous retrouver dans deux classes de 6e de 9 et 12 élèves avec des professeurs qui nous collaient vraiment aux culottes. Cela a produit une belle cuvée millésimée faite de professeurs, d'officiers supérieurs, de grands cadres dans l'administration et d'un journaliste émérite qui nous vaut donc cette sympathique cérémonie je le nomme le docteur Mamadou Koumé, que nous félicitons au nom de tout le village de Que le bon Dieu, subhanahu wa ta'ala, lui donne encore 60 ans de vie en bonne santé pour écrire une deuxième saga de notre équipe nationale de football et immortaliser, je le souhaite, notre première victoire en Coupe d'Afrique des Nations de janvier 2022. Inch'Allah. Je vous remercie. kam maa ngi leen di nuyu kenn ku nekk ci am turam ak santam euh, monsieur nee na émotionnel wax na dëgg man am na ñu ma fi xàmmee bariwul fàtte ko ma Ibou Seye Male euh, les serfs de Wakaam ñu ci bari xam nañ ma wax na d'ailleurs wax ji ne ku daf fi nekkoon fii ci Medina ci Médina ak nijaayam ñaar la ñu woon rek nous étions ñoo nekkoon ak suñu nijaay parce que nous étions des orphelins de père sama jaay yar ñu ñu nekk ay baay yu sori suñu diwaan jóge fu sori loolu nag wakaam a ko moom bi ñu ñëwee ci wakaam jooyuñ ndey jooyuñu bàyyi jooyuñu mag jooyuñu àndandoo jooyuñu couverture jooyuñu ku ñu approché pour bëggal ñu ça c'est grâce

doon du woon ñàkk mbokk amoon nay mbokk waaye comme nijaayam bi ñu tudde Siley bi fii la ne ñu tudde ma ko man mii Siley ngor wakaam yoof dama ne ci di encore quelque chose bu may wax di ko wax liggéey naa aéroport ba retraite damay wax ne tout le temps l' esprit de partage ne se trouve que chez les Lébou parce que nag bu ma waxee xam naa ko école bii laa en 1960 laa dal fii école ci Ngor ci lépp ngay fekk ku la naan gan gi aw dal naa dalal toog bu subaa dëkk bi di daje mun la mbokk aw jógal ci daje bi laa bokk bu nit ñi toogee wax waxu dara mun la waaye mbokk yëngul waaye aw ci mbés yëf fi laa bokk lépp rek moo jaay moo moo tàllal toolu maamam toolu baayam dagg ko jox doxande mu dëkke bu subaa mu jox ko xam Je suis un Sénégalais pur et dur, je suis un Foutanké. Mais un Foutanké lébu. Defna naa Saloum def Kayor, Kayor, def mais je dis que démocratie si on ko doon wër Sénégal bu ñu ci ça n'existe que c'est les lébu les Lebou, c'est les seules personnes au Sénégal qui rek une région buy partagé képp ku maa ngi si ba de ci ñoom yow boor ko fa nga Quand waaye fii nga ko jëlee kon bu ñu amee lu ñu dem naan lébu yëpp jërë ngeen jëf waaye wakaam gàcce ngàllamaay yéen gàcce ngàllamaay am naa fi ay morom ma dun maar mii sama morom la Sida Ndiaye mali sama moroom la Ibou Sey mali sama morom la bu ma ko dee euh, euh, ci bu ma ko dee lim damay juum mais xam naa ne maa nga ba géejawaay dama si biiru ñaari fan yëpp dama feebar mais bii ñu ma ko waxee dama ne suñu retrouvailles ñun yombatul wala fa ñuy retrouver yoo du doon suñu bànneexu xol suñu ñagg-ñaggu xol lay doon parce que ay mag lañ kon bu ñu amee retrouvaille boo xam ni bànneexu xol la kenn ci ñun la ñuy félicité mu taxaw ñu jàkkaarloo moom di ko gis muy wax ñuy tontu waaye bu ñu ko manqué ba tax na bëggoon naa sori li mais temps bi dafa gaa dañ koy war a gàttal parce que nit ñi sonn mun naa taxaw fii ñetti at di wax ci wakaam te du ma doyal du ma jeexal te du ma tiitit parce que wakaam suur suturaal na ma ba ma nekkee ndaw di yàq duma wuñ ma kon buma ma wax ji fi boo ko duma duma dañ ñukoy muñal jërë ngeen jëf. là moi aussi mais je pouvais pas ne pas venir ici pour témoigner on a fait les bancs de l'école 6 sixième ba CM2 mais à chaque fois qu'on était ensemble comme fu mu mus a keet sa kayit gi yëkkati na ko liir ma mais yow do bay keet yi ngay liir nekkate booba lii la ko yalla namal li on est allé jusqu'en CM2 hein moi je les ai laissés ici je suis allé à euh, Rue Chonk am na benn CES bu fa mais on se retrouve dans le sport. Ce que tu as écrit sur moi, les gens m'ont demandé, mais qui Mais regardez, qui est signé On met docteur Mamadou comment? Ils ont dit, mais j'ai dit, j'ai grandi avec lui. Tout ce qu'il a dit sur moi, c'est ce qui se passe. Je commencé le football. Moi, euh, ñàkk suis Nyakana, ko xamné ki man mar mi bu ndaw nga c'est Aliad il nous a encadré hein, on avait que 12 ans Benfica si les gens se rappellent beaucoup Hein? Euh, je ne l'ai jamais oublié. Euh, Al, parce que si l'homme l'a une pensée pieuse. Taï, dem si dit Alba Malheureusement, encore une fois, on se rappelle. Euh, je vais succinctement, c'est ce que j'ai voulu faire. Alfred, tu as bien dit le mot. pour Amad ko Les gars, il y a des chantiers. Il vient de quitter. Qui on a besoin d'un sac ici. Le match de, demain, on devait jouer ça ici. On gagne. tak, fi. Et ça, on te demande le sac. Je ne sais pas comment vous allez faire pour avoir ce stade-là. On en a besoin. Hein. Mon fils ne jouera pas ici. Je ne jouerai pas ici. Mais les autres, on a une histoire hein, à, raconter à nos petits-fils et fils. Euh, euh, projet Bingham on sera derrière toi. Pour avoir ça, c'est pas facile. Hein? Ni, on va se retrouver. Et à travers le sport là, il faut que nous te gardions C'est le sport là, nous te garde les, les fissures là, nous on est une seule personne. Voilà ce que j'ai voulu te dire. Que moi, je suis à ma place. 45 hein. sélections. Une sélection africaine. J'ai été capitaine de l'équipe nationale du Sénégal. Mais il y a des Le football n'a pas commencé en 2002. Nous, à notre âge, nous sommes on nous donne ici, euh, au Stade Dembo Diop, la Coupe d'Afrique, on gagne ça. Euh, les, situations ne sont pas les mêmes. Nous, on n'avait que 2500 francs. Eux, combien Et maintenant, les gens, ils sont 30 millions. On était plus meilleurs qu'un, hein. malgré le respect que nous avons contre, euh, avec eux, mais on n'était plus meilleurs que... alors qu'il n'y avait même pas les conditions autour. Wakam on en a combien 17 internationaux qui euh, frustration bi nga bi dindi yow xamoko sax mais nous on était frustrés parce qu'on ne parle que de 2002 2002 comme si le football a commencé en 2002 alors que les débats sont là les matarniens merci beaucoup. Ahim ah man nak mangi gërem wa wakam monsieur Koumé bi dafa am lu reuy lo xamné daf ko fi wax ci ma di confirmé, confirmer di ko moi je suis goréen Je suis c'est en 2003 ci la ñëw fii à Wakam. Chita Cissé mii moomu jëkk indi Wakam. boobu ñu regroupement e mu xew dem ma ko ñu kër gi nga xam mom la jënd fi ñom lempes petit ñak momu ko jëndal mom ak oreyar mi ñom ñoo tax ñom ñoo tax ma nekk wakam mais nak lima am ci wakam aw fen ko fenn musuma ko sax am gël tàpp gi ma dëkkoon motax li ku may wax parce que dama ñëw ñu yaatal ma def ma délégué de quartier soutenir ma ñoom Oumar Gueye Samb ñi encadré ma loolu nekk loo xam ne lu am solo la moo tax li muy wax ci lébu yi dafa am te dëgg la ma di ko confirmer loolu kenn mënu ko dinde dinaa nag tooñ ñi nga xam ne maax ñoom ñoo fi nekkoon leen wax ne lébu yi dañ daan am néegu gan boolu gan may la jabar liñ ma defalul rek moom mayuñu ma jabar mais li ci des yëpp am naa ko mais mais mais mayuñu ma jabar moom laa leen di ñaawale alors Oumar Gueye sàmm yal na ko yàlla yëkkati parce que moo doon suma avancante Ibrahima Ndiaye arrière ñooy ñëpp ma di leen fàttaliku nekk vraiment nekk nañu wakkaam daal lii ku wax kenn mënu ko dindi di leen remercier nag di leen sant parce que wakkaam liñ ma defal mënuma ko fay mënuma leen ko fay soutenir nañ ma nommé nañ ma def nañ ma délégué de quartier yaatal nañ ma te ñu ngi may jàppale ñi nga xam ne ñoo fi nekk muy kumé mii di suñu rakk yi nit ñu baax lañu les journalistes la sportifs dañ leen di ñaanal ñoom it yàlla bàyyi leen suñu kanam mag ñi nga xam ne ñu ngi fi toog ñoom it maa ngi leen di ñaanal parce que lépp yéen la bu leen neexoon du fi toog waaye nag euh, damay sant yàlla xam ne lii la yàlla dogal di remercier ñoom Chita ñi ñëpp. Euh, ñom Madoune Mar di len wax ne comme li ñu wax nii Chita wax nako football bi commencé wul 2002 Koumé wax na ne commencé wul ci année 50 yi mais ñun duñu wax mukk fatit suñu mak ñoo nga xam ñoo fi nekkoon yarñu ba tax ñu mën jot ci affaire bi ba mën a xali bu continuer ba léegi mak ñooñu mun ñu len faté parce que buggul wax les années 50 mais nous, nous nous ñi fi je me rappelle de de doyen euh, euh, Mbaye il m'a encadré Mbaimbeng m'a encadré alors donc sommes colonel Hassan Gueye bi avons gagné de l'amitié ici, on nous a regroupés ici à Wakam Nous, ñi gagné de l'amitié Wakam Wakam contribué à ci lu bare parce que man xamna ci dara wax ne ñu ne fi bu ngeen yeboo ngeen teud lepp lu jóge ci all bi bu timé fi tojna dara mënu leen def dara xam nga ne lolu aussi day rassurer nit ñi donc ñu ngi gërëm wakam vraiment di gërëm mag ñi di leen gërëm yeen ñëpp man dal sama xol sedd na ma ngi leen di remercier ci li ngeen ma defal lépp jërëjëf euh, ma ngi leen di nuyu di leen gërëm di leen remercier particulièrement euh, la nouvelle équipe dirigeante de Wakam. Parce que nekk Khalé, amuloo 20 ans ñu jël désigné comme capitaine nga euh, sélection de l'équipe nationale éducation bi jox Wakam Top na ma respect bi jox ci football bi te Wakam loolu yépp Wakam ko def këru mag boo dem ñu jàngal la dara nga génn nekk ci terrain bi dugg ci terrain bés euh, waa avenir de Saint-Louis les deux frères Tal, ñuy quart de finale euh, Wakam avenir de Saint-Louis mais lu ne def nañ ko ci terrain parce que dañu bëggoon yàq sa football bi parce que ñoom ne nañu dañ leen yabal ci man pour ñu yàq sa yàq sama football ruux nañ ma def nañ ma lu nekk ci biir terrain bi mais match bi dafa tas rek ñu daw ñëw ne ñu li ñu li la def nii dañ ñu ko digal mais toppaloo ñu yàquloo sa football il faut nga continuer boobu j'avais 19 ans mais bi ñu génnee Moussa Diouf Diagne sa papa Blaise moom ma jëkkoo mu ne ma gis nga na nga continuer def nii bu leen topp footballal sa football mu jeex donc éducation boobu topp na ma ba équipe bu mu def nañ ma capitaine Koumé bi bi ngay tudd bi ngay wax naan le jeune capitaine junior la commencé gagné la coupe nationale junior avec la sélection du Cap-Vert a un capitaine US 64 capitaine euh, semaine de la jeunesse 68, sélection du cap de capitaine, équipe nationale qui contre Guinée à Conakry même chose nga avons que éducation dirigeant le il ni euh, Abidjan Brazzaville et partout. Nous féliciter parce que recherche bi à ñun contribuer mais mais depuis ton article sur les oubliés les ambassadeurs oubliés article vous nga def dans le journal Stade je, recommande aux gens ñu xoolaat ko parce que euh, non du record c'est Stade les ambassadeurs oubliés un article ba nga ne ñun dañ ko partout euh, au niveau de l'association des anciens internationaux dañ ko doon dañ ko doon parce que dafa am portée ba nga mais les dirigeants des clubs portent nañ ko lire à l'Irako. Et le livre Binek, ça vient à son heure. Parce que recherché pendant 4-5 ans, euh, le nouveau-né, il y a des informations partout. Faut que je le servir de brevière. Vraiment, je les remercier de Quant à l'Ozokam, nous avons commencé à faire des choses. Nous déjà barkat dem rek lañ ci doon waxtaan ak Ibou Sow il faudrait que ñun ñëpp ñu dellu si waat Ouakam xool nan la ñu mën a jàppale équipe yi liggéey ak ñoom c'est la seule solution tout à l'heure ñu ngi wax affaire stade mais affaire stade bi il faut ngeen ñëw ngeen jàppale leen loolu mooy indi stade bu pare euh, les entraîneurs on a suffisamment d'entraîneurs de cadres yoo xam ne mën nañu diriger dans cette équipe là plutôt que ñu dem di jëli yi un gars di ko fay ay mille mais du yoon nous, on formé c'était des anciens joueurs yoo colonel Alassane formé ci affaire penalty mu ne penalty gardien bi sa ballon man je vais te contrôler poteau droit ngay bu poteau bi gauche ainsi de suite bar centrale, <laughs> Non, lañ ko doon doxalee Moi la euh, la dernière fois bi le euh, jeune Cavin bi mu raté les pénaltys, ma ko mais suma boy nan ngay entraîner pénalty Moi ne ma non ah, amuñu entraînement ci la xam Il y a quelque chose qui ne va pas filière bi am lu ci donc man maa inciter les anciens joueurs là nous dellu nous ñu nous ni ñu mën d'appeler la nouvelle équipe dirigeante du du du du football muy football muy basket muy banane war nañ ci mën a def dara ñu ay encouragement yenn yi vraiment bu bu ci ñëpp jàppee dana baax incha allah merci maa ngi leen di service. salaamaaleykum. s'il vous plaît. Ah. donc salaamaaleykum maa ngi nuyu ñëpp euh, man je pense ñaari ñaari ñaari mbir rek laa bëggoon laa bëggoon wax euh, benn bi donc ay remerciement la donc euh, bu njëkk bi. Yeah, s'il vous plaît. Ah. donc bi jiitu damay remercier ñi nga xam ñoo am initiative bi muy xaritu euh, docteur Mamadou Koumé ba gissé wa Wakam pour ñu mun organiser li. mais dama né dañ ciy Yalla parce que c'est très franchement on a eu un sentiment de fierté fierté moi j'avais déjà acheté le livre bi koy def euh, musée des civilisations mais je ma fi tay je suis fier d'être moi..! parce qu'en achetant le livre parce que même avant d'acheter le livre j'ai mon ben extrait bu ndaw rek ma groupe collègues des gens qui n'habitent pas en fait Dakar pour leur montrer en fait la dimension de Wakam. mais je me suis rendu compte le nombre de messages que j'ai reçus le jour et les réponses daf me donner un sentiment de fierté j'ai pas l'habitude de parler de sport même sur le plan professionnel mais ce jour-là ça m'a donné beaucoup plus de en fait de fierté d'appartenir en fait à ce village et nous ñi sentiment boobu lañ am sentiment boobu lañ am parce que boo gisee livre ñu jël ci benn dëkk bu ndaw dugal ko ci moo la dimension bi mu am ak potentiel yi mu am ak li nga xam ne moom la am comme talent moi je pense que ñun ñëpp dañ ci war a kontaan donc docteur nous te disons encore une fois merci et du ci football bi rek quelqu'un l'a dit tout à l'heure même dans le cadre en fait du basket à l'athlétisme on nous appelle on nous dit que ne am na ñu fi jot a jaar ñoom kunda ñoom Abdou Gueye ñoom ñëpp donc loolu beneen la mais beneen bi ci gën a neex moi je dis que j'ai jamais eu de licence de football musuma football et même, je pense que c'est l'occasion aussi, peut-être, dans tout le temps, de remercier certaines personnes. Quand je suis en classe 6e, je me suis licence. Je suis licence. Point E. Le, le, le, le Ligue de Dakar. Monsieur Somoron, son professeur. Son fils, nous une classe à l'école primaire. Si nous avons éducation physique à l'école primaire, nous avons le feuille de match. Il nous est arrivé même de prendre l'équipe de l'école de l'amener ailleurs pour jouer au football donc pour dire que nous benn bi ñuy ànd ak grand Badou Ndiaye Ousmane Diagne ak euh, Ousmane Camara même du show terrain Wakam en fait le matin donc c'est une vieille histoire mais pour vous dire que Wakam am lu lu ñi raconter et la dernière fois ça nous a permis d'apprendre que presque tout le monde a contribué en faire pour ce club Nous ku nekk Wakam mois ne ne et tout à l'heure je le disais le pressentiment que j'ai encore que les anciens aiment beaucoup plus ce club que nous, une génération et c'est pourquoi j'ai pris la parole malheureusement on a convoqué certains, on les avait demandé de venir, parce que ce livre, c'était à vous de les acheter. Parce que l'histoire, vous le connaissez déjà. Chita le disait tout à l'heure, le football n'a pas commencé en 2002 pour le Sénégal. Mais à Wakam, on sait que le football, l'histoire de retenir, c'est les années de 1964. Et pour le perpétuer, pour nous, nous conserver aussi. Moi, je pense que c'est encore l'occasion. On va demander en fait au Wakam, de nos générations, d'acheter ce livre. On va les pousser à acheter ce livre. Nous mun xamné wakam ne wakaam am na foo xamante ne lu fi ne wante war nañ ko yobbu fenen et là aussi c'est pour dire que ñun aussi am nañ sas am nañ sas moi je ne dévoile pas en fait les choses en disant de frère wala soit c'est toute une génération euh, dañuy wax naan après football moi li ma gëm moy que nit du se retraité sport vous avez été pratiquant certains ont été des administratifs mun ngeen tok seen kër mais on a beaucoup plus besoin de vous pour ce club pour aller chercher des moyens. Nous, on fera tout pour aller chercher des moyens. on a toujours besoin de vos idées. Parce que ce qui fait avancer le monde, en fait, c'est la réflexion, l'idée, les idées. monde Et vous avez un vécu. Et on compte encore une fois sur vous. Pour mon dialogue. Le benen bi limay wax euh, papa diagne wax nako amna ko wax man retenir ce livre bi bo selo man dama ko kéro suñ bi ñoy gis ñu ça nous a incité un peu à la lecture certains avaient même arrêté de lire on a parlé de cours de vacances, on a parlé de beaucoup de choses. Moi, je dis que c'est une belle occasion pour nous. Hein. Papa Diagne, mi xamna Les cours de vacances, nous dañu biñu ñëw sont initié, wat, amna Et il est temps qu'on essaie de recommencer à zéro. Wakam, ñu à déloyer Parce que pour permettre une chose, parce que quand j'ai entendu que pour aller faire en fait la veille du baccalauréat, dafa dem don capitaine, dem am la nouvelle génération Et pour faire passer un message dans le football, nga wara un système de jeu quand tu n'es pas intelligent tu peux pas le prendre comprendre en fait en moins de deux secondes l'équipe de 95 avec Lamine Dieng si vous regardez le niveau d'instruction de cette équipe au moins ñëpp na moon nañ ba classe 3 troisième Lamine daawul sonna pour wax ju bari. mais légui ko xamantene primaire nga bàyyee école continuer wuloo étude lan nga mëna a jàng jàng le football Bo schéma bi tégg sax doo mëna lire Benen bi comme je disais sans ce livre en termes de statistiques je disais tout à l'heure que la fédération n'a pas n'a pas d'archives mais aussi à Wakam, on n'a pas assez d'archives. Et il est temps. C'est bonne fois dire Et je fais un appel en fait aux anciens. Je suis un passionné de football. C'est tout à fait normal parce que je suis fils de photographe. Donc, je suis en fait passionné de photos, autant pour moi, parce que mon là est donné en dehors du sport. Il m'est arrivé en fait de faire des coachs, de prendre euh, certaines photos, mais aussi c'est l'occasion et je m'engage chaque semaine. Ancien Bouné, les photos, on fera de telle sorte que Wakam ait au moins en fait une banque dimanche mu nous permettre ñu nga dans l'histoire ça ñun ñi nga xam ne bu ñu jëlee fi bàyyil dara donc vraiment ça c'était mon engagement pour dire que on est prêt à travailler en fait sur ce chemin merci. mbokk assalamu asalaamaaleykum euh, maa ngi nuyu ñep xeyna sax dinañ ne ki ay atam fan la tollu lan la xam ba bëgg wax ci li ni mais man avec des milliards sama ko yalla Mayon aussi moi je vais toujours continuer à rester villageois sama kër nga ngi fii si ñaay bi mais je préfère mourir ici dans le village même su may am 100 ans moi je suis villageois lu ma mën a am si àdduna fa moom ak gënal tabax naa kër mais vraiment je ne me sens pas bien là-bas je me sens mieux dans le village où je vois les gens parce que bis bu ma fi génnee je suis coupé de mes racines bon yàlla ma yàlla may fan wu gudd te su may dee ma dee fii si mbul waaw bon ñu dee fii si mbul waaw euh, li am nak moy livre bi, dafa am lu bari bima ko gisee bima ko jëkkee lire ñu wax Wiyé Mbaas xamoon naa Wiyé Mbaas mu don gendarme gis naa ko mu fa fi fii si terrain bu mag bi tournoi vétéran donc amna lu bari lu mu yee man monsieur sama mën naa maa moi je suis passionné d'histoire et surtout pour ce qui concerne les hommes qui nous ont valu des fiertés Euh, ma kontaan lol Coumé peut-être xamuma mais yàgg naa ko gis te sa bu mako ko gis rek dina ko ñew nuyu naka grand man wawa kam la première fois bu muy am pont bi ci foire bi bobu ñu ngi liggéey les travaux de l'ANOCI nga yor sa ben 4 4 ni man naka ci pont bi ba ñew nuyu la na la grand na nga def Coumé ça va man Wakaam la dëkk parce que dam na jamono ngay bind ci ben journal affaire sport j'ai oublié le titre là mais yàgg journal bobu li tok fi yagul quoi voilà donc li nga def ni dama wax sax ne amna lu bari lo régler parce que mos naa ko sama ndiyaay Momar Gueye Samb ma ne ko mais ndijaay booba man ah Blaise ñoo àndoon ñu ngi demoon euh les ambassades war ndekki fofu foofu ah ndijaay Omar Gueye Samb ñu dajay ak euh, ablay Fofana sek mais interpeller ko nako ko man j'ai un sérieux problème dans ce pays vous quand vous parlez vous faites table rase de l'existence des footballeurs sénégalais, des, footballeurs wakamwa. C'est quoi votre problème Qu'est-ce qui se passe réellement faut nous le dire. On dirait que nous n'avons pas du tout participé au développement du sport ici dans ce pays. on va rectifier. va rectifier. mais qui Omar on Qui n'a pas de Fofana Sak oui, mais d'accord, bon, après ça, s'arrête là-bas. Bon, euh, je n'ai rien contre lui. Mais souvent, quand je l'entendais parler de sport, Ablaye Diaw, mais c'est grave dafa mel ñun xanaa wakaam ñun kenn duñu tudd xanaa invité si plateau yi kenn duñu tout récemment la gis mu changé oo nañ Papa Akez oo Chita oo Laurent mais je dis ça fait mal lii nga def nii nag dafa am lu mu ñuy jox ñun xale ñuy jox motif de fierté j'ai toujours dit que nañu fonk le sport ak Chita football ak Laurent di regroupé fi suñu kër njaayeen ke papa isa Soare bobu maa ngi leen di gis a papa Akez sama mam Alaaji mon Njaay yor 403 duma yobale ci auto bi ak sergent Diallo ak Wiyee Ban Njaay may nakax ñom ci auto bi ñuy dem di seet may seetaani bon équipe bi sa bu nga xamantene bi mu nga yëngatu rek amna lu bari lu muy def ci suñu yaram ci sama bab Ibou tiane sax moo daan wax bi muy paré dé ne moom équipe bi nga ci dess bu ko bayyi moo ñu may lepp le nom de Wakam rayonne dans le monde te foot sport moo ñu ko may une petite anecdote pour wax ne li ñuy oote si doxal sport bi dañ si war a bu au Gabon d'ailleurs Adama Kandé bi daje woon nañ à la mosquée Cheikh Ahmadou Bamba à Montagne Sainte Libreville pendant la CAN bi ñuy dit que nous on va dans la même direction mais arrivé à Delta Postal yow da ngay dem vers le stade moi je continue à quatrième cité faut la dëkk bon donc dem len man dina demal sama bop ñu wax mais bu ma ci si match d'ouverture ma tok ci loge officielle gabonais yi ñom mooy ñoom billet boobu dama rencontré un ancien ministre malien c'était le ministre du tourisme ce qui est extraordinaire bi mu ñi wax mu ne ma il a des amis il venait ici à Dakar xamoon na ay joueurs yu bari mom lebu yi ñoo neex ñoy ay xaritam son meilleur ami c'est un lebu on doy mu ngi fële au Mali ñu wax ba mu yàgg mu mu may tuddal joueurs yi ñu daan fa balal mu ne ma Oumar Gueye Samb mu ne ko je le connais mu ne ma non ce pas possible mu ah pourquoi ce n'est pas possible mu ne vous le connaissez mu ko je le connais si on va à Ngor on a les mêmes origines familiales c'est mon oncle mu ne non c'est extraordinaire mu ko mais je vous dis je le connais pour mais qu'est-ce qu'il y a d'extraordinaire pour xam benn nit mais Malien, yi fi ñu ko teg lan moo ko indi ñaar rien d'extraordinaire c'est simplement le sport moo ñu may loolu ma daje au Burkina Faso avec Laurent Kipré qui jouait à l'Aspa, voleur. à Bobo Dioula Sow muy entraîné Bobo Bobo Sport ñuy waxtaan max photo baa fi sama portable Mune ma ani papa ñaax fekk dañu wax Sénégal gars yi na ko waxala dama dama dama nga wax ak entraîneur bi ma ñaw ñu waxtan ñu wax mu lakk lebu nama wax ani papa ñaax ma ne papa ñaax nga fa mu ma ana ana ana dund ndooy ñaata guerrier ma ko mu ngi fi sama papa la alors ça je dis quand je sors je sors du pays je suis à des milliers de kilomètres on me, on on me rappelle mes origines wakamwazes on me parle avec fierté de mes parents je dis ça c'est quoi en fait la cause c'est le sport donc nous n'avons rien de plus que cela motax ma may wax ne nañ si jàpp bu baax on s'est rencontrés dans des assises de communistes sénégalais bi a waxtaan entre communistes nous jékki dit qu'il ne avait yow de nga mais il parlait avec beaucoup d'émotion louant les qualités de Laurent et de Chita voilà de grands intellectuels Moi, tax bu ñu doon ñëw terrain bi ils comprennent très vite et ils s'en sortent maintenant ça quand je me remémore de tout cela je dis que c'est le, moment maintenant de mettre l'accent sur la formation. Et c'est un aspect qu'on néglige ici à Wakam. Il faut qu'on sache allier éducation et sport. Wakam, la direction. Parce que Chitabi, pour ceux qui ne le savent pas, il football Coupe du Sénégal en 1964 en tant que capitaine. xëy dem defi un examen baccalauréat réussir C'est ce ñu nous avons bon encore une fois mangri remercier di c'est le moment de sceller l'unité les contradictions à un moment il faut savoir les dépasser il faut savoir trouver des compromis historiques merci Adama écrivain écrivain c'est trop dire hein. <laughs> alors euh, je voudrais

Euh, yéen ñëpp maa ngi leen di nuyu ku nekk ci sa tour ak ci sa sant alors euh, di leen remercier ci déplacement bi ngeen def hein, euh, parce que tey journée de journée fériée la ku nekk mënoon na wax ne bon damay noppaleku ah hein, ndajal yi nag man je considère ça comme une rencontre fraternelle une rencontre amicale parce que c'est ça ce sont ce sont des des tontons, des aînés, des grands frères, des frères euh, qui sont là aujourd'hui euh, avec moi. Hmm. Euh, remercier c'est notre club Yezwakam. Remercier son, président, Alfred Bachili. je pense que vous, nous avons une initiative peut-être que nous avons organisé quand je dis mën nous, ko dama association bi eh, nous nañ ko mais les bi ñu bi as eh, nangu proposition que ñu ko donc euh, cette rencontre n'aurait pas eu toute cette dimension sans l'USOCAM donc je remercie l'USOCAM euh, je remercie ma propre communauté sama association je pense que Ibrahima wax un peu suñu association bi ah suñu suñu rak yi xamuñu woon tour yi Ibrahima wax na leen ko surf hein euh, am na aussi Ibrahima Ndiaye Chita wax na léegi euh, né dañuy ko di ñaanal di ko ñaanal ki nga xamanteni mom lañu considérer ñuy ñun comme suñu suñu aîné aîné association bi te yalla jëlee ko fi muy euh, El Hadj Abdoulaye Dia Alba waaw euh, ci ci at mu bees lañu nek at mu bees lañu débuter tay moy le 2 janvier donc yeen ñep maa ngi leen di souhaiter bonne et heureuse année alors lu tax ma ñew euh, wakam lu tax ma présenter livre bi à wakam je pense que ñep wax nañ ko Ibrahima wax na ko Alfred Alfred wax na ko. Euh, parce que villa euh, parce que Wakam euh, comme le poète bi Senghor mon mon royaume d'enfance Fila laa Fila fil Baré. école 2 CEG de Wakam cours de vacances de l'école avec M. Sall peut-être mon frère Khamouko, cours de vacances Terme avec M. Oumar Samba xam nga loolu duma éducation c'est des foyers ardents lu ñuy wax foyer ardent euh, école 2 CEG de Wakam terme sud école 1 alors la deuxième raison c'est que le sujet s'intéresse au football le football je l'ai découvert ici hein. euh, Jury, ci euh, ce sont nos idoles de jeunesse. Ils sont là, ils sont présents. Nomin euh, Salut Sissechita, Nomin Akesbi, Papia, Grandoy, Doudoy. Mais ni c'était nos idoles de jeunesse. Football, Moi, je l'ai découvert ici. Je, je, me, je, me, je revois les matchs d'entraînement et de préparation entre euh, Inter et Zigzag. Alors, quand ces deux équipes jouaient, c'était en fait du Wakam, mais quand ces deux équipes jouaient à Dama, ce sont des gens qui, jouaient, qui pouvaient jouer les, yeux fermés. C'était une véritable symphonie quand vous regardiez ces équipes jouer. C'était des équipes d'ici. Nyom ñoo club Il euh, y, a aussi les Navetans, avec toutes ces formations satellites. Ça m'a Pape Secdan, ça c'est un souvenir qui, est resté, à moi. Je vois aussi le colonel, le colonel Pana, c'est une équipe. Vaguin, euh, Fraternel, Léona, Frères Unis, mais euh, quand tu, es, quand tu as été à Ocam, tu vis ça, tu vis ça. C'était une activité intéressante. Euh, les gens jouent au football, mais les gens étudiaient aussi. Parce que Wakam a produit euh, de brillants cadres. Hein. de brillants cadres. Hein. que ça, dans tous les domaines, hein. dans l'administration, dans l'armée, euh, dans la fonction publique et tout ça. Alors ça, ça sont des souvenirs très forts. Ensuite, la troisième raison, on ne peut pas écrire l'histoire de l'équipe nationale de football du Sénégal sans Wakam qui a laissé une marque durable dans l'évolution. Hmm. Alors, équipe nationale au euh, euh, moi, j'ai découvert cette originalité euh, en faisant mes recherches. Wakam, c'est le village qui a fourni le plus d'internationaux à l'équipe nationale. Alors, c'est bizarre. Ah, alors, euh, euh, beaucoup de gens m'ont posé la question dimension géographique bobu me je nga mais c'est une réalité regardez l'équipe nationale euh, la plupart ils sont venus des centres urbains mais quand ils jouent en équipe nationale il y en a il y a beaucoup qui sont de Wakam et ça c'est une originalité de Wakam et il faut le reconnaître euh, et il y a un symbole fort dans l'équipe nationale, dans la toute première équipe nationale, qui a joué le 5 novembre 1961, Coupe Bounioua, Coupe Krouma. Coupe Krouma, c'était une coupe très célèbre. maintenir euh, le chef de l'État ghanéen de l'époque, hum, euh, Kwame Krouma, Moko qui concurrençait un peu d'ailleurs la Cannes. Sénégal jeune avec la sélection du Sénégal avant l'indépendance. Euh, je crois, une fois ou deux fois. Mais euh, euh moi, dans mon livre, j'ai refusé de parler. J'ai refusé volontairement de parler euh, avant l'indépendance. J'ai commencé mon livre à partir de 1960, à partir du 20 août 1960, parce que réellement le Sénégal est indépendant le 20 août 1960, même si en fait le 4 avril 1960 parce que c'est le 20 août 1960 la fédération entre le Sénégal et le Mali tasse. voilà et le Soudan tasse. Euh, les Soudanais sont partis avec le nom Mali nous on est resté Sénégal donc c'est à partir du 20 août 1960 que mon travail commence alors le, le, le premier match de l'équipe nationale après le 20 août 1960 ça s'est déroulé excusez-moi le 5 novembre 1961 c'était à Banjul Batters lañ koy alors en, faisant ce travail là j'ai fouillé et puis je suis tombé sur la formation donc je vois quelqu'un qu'on appelle Hassan Diaye, US dans l'équipe Alors, ah, j'ai dit man ah man xaw xaw xaw ah il faut que je demande et la première personne à qui j'ai posé la question c'est Grand Chita je dit que poser question Je mais Grand je suis en train de travailler sur l'équipe nationale et je vois le premier match de l'équipe nationale il y a un jour, tout de Hassan Ndiaye Ezokam c'est après plusieurs euh, recherches qu'on m'a dit oui il a il, existe mais quand je l'ai pas reconnu il m'a amené la photo ce matin mais euh, j'avoue que je n'ai pas un souvenir et mes amis m'ont dit attends il y avait même une euh, une chanson célèbre d'un tir de basse bon voilà euh, voilà les après les gens m'ont rappelé ça mais mais moi <laughs> je ne me souviens pas de ça peut-être de temps euh, j'étais pas encore à Wakam. donc donc c'est le premier international de Wakam parce que jusque-là jusque-là je disais que c'est mon maître Oumar Ghezambi, qui est le premier international de Wakam. c'est ça jusque-là jusque-là la la mais quand j'ai vu ça, je me suis renseigné, je me dis, ah oui, c'est bien un jour de l'US Wakam. Donc, euh, euh, c'est très fort comme symbole. Première équipe nationale, il y a un jour de l'US Wakam. Et, c'est le village qui a fourni le plus d'internationaux à, l'équipe nationale. Donc, euh, les pionniers, Omar Gaysam, Salut Sissé Chita, il y a beaucoup de joueurs qui ont été convoqués, même s'ils n'ont pas disputé de rencontre officielle. Je pense que euh, euh, nous euh, euh, grand Laurent Mingifi, Mamadou Laurent Mingifi, Ibrahim Ndiaye, Akesbi, nous avons convoqué. Mais l'équipe nationale, Bobutan, les, les, matchs étaient très peu nombreux. Parce que si en 1960, et là je parle à mon mon grand frère mon aîné Demba Thioy bu ba 1960, année 1960 yi ñoom matchs. match yi ñuy joué barewul woon trop loolu moo tax sélection yi barewul euh, alors que boo est quelqu'un comme Aliou Cissé qui à l'équipe nationale depuis 7 ans maintenant en mars lay def 7 ans mais il va bientôt faire 70-80 matchs de 1960 à 1970 on n'a pas fait plus de 40 matchs donc, il y avait moins de matchs, il y avait moins de compétition. Parce que compétition, il y a moins ben règle pratiquement. Euh, c'est les qualifications à la, à, à Cannes, euh, pratiquement. Hein, Coupe du Monde, on était rarement engagé. Hein. Donc ça, ça explique euh, le fait qu'il n'y a pas beaucoup de sélectionnés, il n'y a pas beaucoup de matchs et donc am na yu équipe nationale c'est c'est ça la raison alors euh, moi je pense que bon effet, étude euh, euh, les matchs ont commencé à être à partir des années 70 le match ont commencé barrer. quand nos amis quand mes frères euh, Medoune Mar Mansour Ibrahim Ndiaye Chita quand ils sont venus en équipe nationale euh, voilà, ils ont, ils ont commencé, il euh, y, a eu un peu plus de matchs. Mais c'est surtout dans les années 1980, avec le Cabral, que le match équipe nationale barrait, que, que les gens ont eu beaucoup de sélections. Voilà. Je pense qu'aujourd'hui, si les documents, comme El Medounmar, il peut calculer le nombre de matchs qu'il a joué. Ibrahim il peut calculer le nombre de matchs euh, qu'il a chuté. On peut, on peut aussi trouver le nombre de matchs que Mansour Wade a joué. Voilà. Hein? Donc, euh, euh, mm, les pionniers, Oumar Gaysam, Salus Sechita, mm, ensuite euh, euh, Ibou Faye, Ndeysan, Songan, qui a joué en équipe nationale, hein? Medoun, Mansour Wad, Ibrahim Ndiachita, ensuite c'est Sedi hein, Mamadou Diallo, Mamadou ah ñoom euh, euh, euh, Daouda Ndoye Daouda Amadou Ndiaye Zamadou les frères Sène Pape Mal Pape Malikou Diahate Ngiran Ndaw Baye Omar Niass Alpha Ba Papa Latir Ndiaye bon Fatina sax ñu la liste des des Wakamois ou de ceux qui ont porté le maillot de Wakam elle est longue hein d'ailleurs dans l'équipe qui va jouer la Cannes dans quelques jours il y a un joueur qui a porté les couleurs de l'US Wakam donc, donc c'est dire que la contribution euh, de Wakam à l'équipe nationale est très, très, très importante. Elle a été très importante. Et je pense que ça va continuer. Alors, le livre, euh, je l'ai fait pourquoi Pour combler un vide. Voilà, je pense qu'il nous manquait beaucoup de données, Adam, sur l'équipe nationale il nous manquait beaucoup de données on euh, par exemple journaliste bi ñu ni ko demal euh, seeti ji euh, Cissé Chita wax ak bon mu jox le nombre de sélections, mu jox le nombre de buts mu jox le nombre de matchs matchs match yu à mais je prends l'exemple de Saliou Cissé Chita je peux prendre l'exemple du grand Demba bien je pourrais prendre d'autres exemples fédération amul archive nous ne ñoom xamuñu ko mais fédération mon archive je n'accuse pas la fédération actuelle hein. je dis fédération depuis le début ba mon archive Si euh, vous euh, les matchs de l'équipe de France Bob oubé équipe de France depuis le début jusqu'à maintenant da nga am am marqué bi joué mais fi fi donc pendant trois ans je dis nous, parce que euh, des jeunes des jeunes m'ont aidé pendant trois ans on a fait ces recherches pour les matchs de l'équipe nationale jouer pour xam composition pour xam ñi marqué but voilà légui ku nekk bo les document bi à peu près match yi joué nga xam but marqué voilà les raisons moi qui m'ont motivé à faire ce livre là parce que j'étais dans un milieu où on se posait beaucoup de questions waouh amuñu amuñu une réponse j'ai dit attends euh, ça quand même on peut le faire parce que les les archives sont là il faut fouiller il faut il faut essayer de les trouver hein je suis même allé en France, à la bibliothèque François Mitterrand, euh, pour trouver certaines, informations. Parce que malheureusement, nous sommes dans un pays où on ne conserve pas les archives. Tout va en France, bibliothèque François Mitterrand, la collection Dakar Matin, journal de 1961 à 1970, ils l'ont mieux conservé que nous. Ils l'ont mieux conservé que nous à Paris que ici à Dakar. c'était un journal sénégalais, c'était un journal Dakar. Voilà. Donc, euh, euh, euh, moi, j'apporte des réponses sur la composition des joueurs qui ont effectivement disputé les matchs de l'équipe nationale. Sur les matchs joués, il y a plus de 600 matchs. Sur les buteurs. Hein. Et ensuite, les légendes. jury, tout de suite, j'ai été obligé d'aller présenter à Adama, à Salusi Chechila, à et peut-être Sakhamnelen. Bon, mais en prenant le livre aujourd'hui, il a, il a d'autres informations sur eux. Hein? Euh, le football, comme le disait Chita 2 tout de suite, euh, ça n'a pas commencé en 2002. Donc j'ai essayé autant que possible, ce n'est pas facile, de présenter les légendes, les meilleurs jours des années 60, 70, 80. Voilà, parce que génération actuelle, bon, j'ai consacré moins de place aux jours de 2000, parce qu'on est là, je pense qu'on a suffisamment d'informations. On a suffisamment d'informations depuis 2000, depuis Internet. Parce qu'en réalité, information à partir de 60, 1960, 2000, parce qu'il n'y avait pas Internet. Mais de 2000 à maintenant, si tu fais moteur de recherche, tu tu trouves. Voilà. Euh, tu, trouves, tu trouves les informations. Donc, euh, vraiment, le livre, c'était pour ça. C'était pour combler un vide, parce que j'ai constaté, je suis dans le milieu, j'estime qu'il y a beaucoup d'informations euh, qu'on n'avait pas. Voilà. Euh, c'est évolutif. J'ai dit ça aux gens, j'ai dit, mais c'est évolutif. Qui euh, maintenant que compléter chaque année. Chaque année, maintenant que compléter. Alors, pour terminer, je voudrais remercier quelqu'un qui est là, qui est avec nous, qui est un grand frère. Je pense que Ibrahim a un peu l'habitude, il m'a des journaux. et, et, j'ai vécu, donc très jeune ici. Et si j'ai été initié à la lecture des journaux sportifs, je le dois à quelqu'un qui est là, écoute de Nouman marguer C'est lui qui a acheté les journaux et qui me les donnait après. Donc, ça, il faut, que je le dise. Hein. Donc, voilà, Adam. Mon ancien élève. <laughs> euh... Il a raison parce que je l'ai beaucoup utilisé quand j'étais secrétaire général de la Ligue de football de Dakar. Je l'ai ni pour euh, Moudem dem licencié pour les euh, euh, club hein. moi je ne sais même pas par quoi terminer d'abord par apprécier Alfred parce que avant Alfred je remercie Blaise du ma du euh, si aujourd'hui encore je suis actif dans le club je le dois aux jeunes dirigeants qui sont ici su may doom lañ su may comme Blaise mais euh, lu ñu def si ES Ouakam rek dañ may de euh, dama remercier ici publiquement comment ma xamul ku comment xam ku ma xam da nga dañ parce que maay seen maay seen nu ñu koy waxee bant taxawaalu kaay xaw ma noonu ñu ñu ree xoolal ba ba suite vous riez ma leen di génne de waaw <laughs> mais quand même euh, ça fait plaisir maintenant pour ma conclure euh, Koumé jërëjëf jërëjëf ci liggéey bi nga liggéey liggéeyal ko Sénégal te am na beneen bu des liggéeyal ko US parce que am na koo fi wax il faut ñu def les archives euh, Wakam ñu bàyyi Que fi club bu créé en 1951 51 club le ba 62 ba 63 club bi di seet boppam fu ne US Wakam football na ko ay terrain xeer ay terrain suuf fekkewu ma de fekkewu ma comme joueur mais fekke woon naa comme xale Mais ñoom Doudou gay Laurent ñii ñoom Mamadou Ba ak ñeneen ñoo doon supporter di daw fi ba stade terrain central parc municipal Campo Lapeyre ñu ñëw di topp ci club bi ba yàlla def ku ci nekk li doonoon sa mbëgte sa ñoom Chita ñi ñëpp booba temps ku nekkaa ngi ne yàlla na ma yàlla may ma sol maillot rouge blanc Doudou Gueye xaw na ko wax sànq bu ku buñ daa gañee buñ daa gañee sa ëllëg sa ñii footballoon ñëpp dañuy daagu ci biir dëkk bi mais suñu gañee ñi fubaloon ñëpp duñu taagu ci dëkk bi Mamadou Dia duudu na le ñun waa Guy bu ñu dem entraînement bu ñu gañee tala américain la ñuy jaar booba tala américain si biir dëkk àll bi la ne parce que rusoon nañu di romb ay waa Wakaam parce que dañ ñu gañe dañu gañe Wakaam comme ni ko maire yi daa waxe mais suñ daa gañee Wakaam bu Wakaam daa gañee bu ñu demee sangu sumi suñu maayo commencé dox si biir dëkk bi dem Kër Jacques ñi nit ñi kontaan dañuy kontaan ne gañe

buñ ko moomul sax nañ leen ko cëralee nañ leen ko cëralee yooyu soo du loo xam ne dañ koy ping pong jël ko def ko ballon dóor ko si ron lan gi sànni ko fële mënul ne. mu ngoog voilà Papa Gueye. Mame Moussé Papa Gueye c' était le médecin de l'USO mais c' était le médecin du football régional sénégalais keroog bi Demba Thiaw di yóbbu ñoom Cheikh Tidiane Seck ñu doon ay xale. Alaaji Papa Gueye moo doon fanaan ak ñoom guddeex bëccëg. donc yaa a beaucoup de choses à dire à Wakam Wakam dañu am patrimoine moo tax encore une fois jërëjëf Koumé patrimoine boobu foog ñu bind ko foog ñu sàmbar ko foog ñu foog ñu jariñoo ko Koumé wax na sànq euh, affaire euh, bi ñu defee euh, bi ñu suspendre un an mais waa Wakam lu ñu def waa Wakam dañ ne footballatuñu championnat national mais dañ football. Nous créé zigzag créé inter nous équipe ñuy équipe nous di si football pendant un an ba nous on a marqué combien de buts les Wakam 89 encaissé encaissé 12 am dans les annales du football mondial d'ailleurs di coupe du Sénégal monté en première division.

au Sénégal donc Wakam, histoire de feriche histoire Ezo de feriche or qui dit Ezo mais moi Wakam Wakam, ñett Nyatala Amon ana Ezo assemblée générale.

objectif yi euh, ñi fi ne ci affaire football ak quelques not ak notables yi fi ne notables sumay génération ngeen am na ma mag mais bariwul ñeneen ñu bari ma ñoo ma maase wala ma mag leen sax far parce que ñun ñi Mamadou Gueye ba américain on va sur nos quatre-vingts ans dutuñu ay xale magu dëkk bi ñun ñoom laay sànni kàddu gi ñi fi ne man Ibou Sow man. mun nañ ma waxal lu ne sauf que Ibou Sow du wax lu ne si bopp bi correctement poliment romb ñi ñi jot jot euh, jotoo maa kenn dara mais kenn mënu ma teree wax ñëpp xam nañ ne man damay wax te damay wax pour defar US Wakaam président moomu ko te at dama gis nañ dama gis nit ñi naan club bi di ko identifier président bi club bi US Wakaam président yi anañu ana président yi fi nekkoon club bi US Ouakam la nit ñi war a xool bàyyi ko bët jàppale US Ouakam waaye Alfred day président du du du ma jàppale naa def tout pour que ñu bañ a jàppale US Ouakam ñun fii dañ daa am final dañ daa am final mag yi dëkk bi oote Mamadou Ba s'il te dañ daa am final mag ñi oote nañ ko bi dañ koy gagné ñun génn nañ ci kees gi lii. ngeen gañe ji coupe bi keroog ba ñuy dem Yaoundé dañ ñu oo si taatu garab gi astafur dañu yoo cinéma la ñu oo oote assemblée générale dem leen gañe ji génn xaalis ñaati yoon la Wakam génn xaalis te euse Wakam laajul dërëm mais xam nañ ne seen cër la kon notable yi fi ne euse Wakam du euse Wakam kenn tey du euse Wakam mu démb doon euse Wakam mu tey du euse Wakam mu Alfred Bacili Waka il faut que nous ñi jàppaat si Yosu Nous, ñun football euh, dudu ay maga togon touche bi amna mag ñoo fu ngeen football football nañ fa té nak may demi-finale ba contre à Espoir de Saint-Louis mais mais mais ay ay mag ñepp nañ ci kon nañ leen redevenir motax encore une fois parce que Euh, am naa occasion wax ak tey ñi nga xam ne ñoo ma mag sumay mag yi nga xam ne ñoo ma yar ak ñi nga xam ne max ñoo ma maase ak ñi ma xam ne man maa leen yar muy comme ñii. mention spéciale waaw. tout le temps tout le temps le waaw. jërëjëf jërëjëf waaw tout donc waaw. nañ la wax fële astafurlah donc il faudrait que Magni, ñi bi ñun biñ da football ay maga a suñu suñu kanam. al Diagne ak ñeneen ak ñeneen ñu won suñu kanam Tay ko football ba paré dem tok sa kër mais del leen si club bi parce que club bi keroog bi coow amé dama ne club bi xalé dama ne gis ngeen bu leen ñëwee club bi dafa am ay borom ñu am musso club ken momu ko ma ko ba nga waxat ko. club bi dudu ba tey duudu ndooy yéen ñi fi né ñëpp club bi seen club la on ne laissera pas ce club-là couler C'est pour cela que dafa am loo xam suñu comment peut-on avoir un club de la dimension de l'US Wakam depuis 51 football première division football contre GIA, football contre Gorée football contre Foyer terrain il faut qu'il y ait un stade de football à Wakam lolu notable yi toute la population doit faire pression sur autorités, bu fi municipal ou étatique pour nous daxaat sur suñu terrain ñuko bu terrain parce que sans l'UEZ Wakam Wakam n'a pas d'âme je vous remercie. merci merci grand je pense que ton ton ton message il est il est très fort il est très fort il est il est intéressant. Euh, moi, je, serais fier si au sortir de, cette rencontre, je disais amicale, fraternelle, euh, si au sortir de cette réunion, euh, tout le monde peut se mobiliser autour de l'USWOCAM. je dirais que vraiment, cette petite cérémonie, ça a servi à quelque chose. Voilà, voilà. J'en serais, serais, très fier. Hein. En tout cas, euh, pour ce qui me concerne personnellement, je l'ai dit d'ailleurs à, Alfred, quand j'ai appris qu'il a été élu président, je lui ai envoyé un message pour lui dire que euh, je suis disponible, en tout cas, à aider euh, dans mon domaine. l'USOCAM. parce que, comme je le disais dans mon message, c'est notre association sportive et culturelle l'USOCAM. Euh, d'ailleurs, je, peux prendre un engagement ici, euh, Alfred, devant tout le monde. Euh, je pense que mérite, son histoire mérite d'être racontée, d'être contée, d'être laissée aux générations futures. je pense qu'il y a beaucoup de choses qui se sont passées. Je pense qu'on peut faire aussi un ouvrage sur l'Iezwakam. Moi, je m'engage personnellement dans ce, dans ce domaine-là, avec d'autres, bien entendu, avec d'autres vraiment à faire ce à faire ce travail-là bon euh, euh, on le fera pour Wakam on le fera pour l'US Wakam moi je m'engage je m'engage pour ça. bon parce que l'histoire de, l'histoire de ce club est très riche en tout cas nous, nous faisons alors, on, parle des footballeurs, on parle des athlètes, on parle des nageurs, on parle des basketteurs, mais on, peut parler aussi des hommes et des femmes qui ont incarné ce club. Euh, on ne peut pas parler de Wakam sans parler de, euh, je pense que Diagne, euh, le disait tout de suite, la photo, on ne peut pas parler de Okam sans parler de Jacques Total. C'est tellement, tellement riche ce, ce qu'il a fait ici. C'est l'histoire de Wakam, c'est l'histoire du club de Wakam. Hein? Euh, on ne peut pas. Moi, je me souviens de, euh, certaines personnes. Euh, le, vieux Cheikh Diop Vespa, pas Bobou, mais eh, donc, tu ne peux pas. Tu ne peux pas parler de Wakam sans parler de cette personne-là. Si tu ne peux pas parler de, de, monsieur, de monsieur Diagne, l'ambulancier. Mais, mais, mais tu, ne peux pas. Voilà des figures, Si tu fais un livre, tu ne peux pas ne pas parler de ces personnes. Et tant d'autres, tant d'autres, tant d'autres, tant d'autres, quoi. Hein? donc moi vraiment on peut faire un travail à ce niveau-là pour la postérité pour Wakam je m'engage je m'engage pour ça ici devant vous voilà euh, pour terminer je, voudrais vous remercier vraiment euh, Alfred Yazwakam, euh, comme on dit votre serpent est descendu comme on le dit là Hein, euh, je, vous remercie, je vous remercie au nom de mes amis qui sont là-bas derrière, euh, euh, de mon association. Hein, je vous remercie en, leur nom. Je pense que vraiment, vous avez été à la, hauteur. Hein de ce que vous aviez voulu faire pour nous. Moi, je suis vraiment ravi, je suis content et je pense que nous, ils sont ravis, ils sont contents de, de, cette rencontre, qui est une rencontre, une fois encore, sans prétention, amicale et fraternelle. C'est comme ça qu'on c'est comme ça qu'on l'a voulu. Donc voilà, il vraiment, à de remercier. Merci.